Boss media ay media bi media yi lolou moy boss media ay boss media yéen ngi bosse boss eh, bi eh, war ay boss media media bi gën media yi. redonner du courage aux étudiants qui sont là c'est-à-dire c'est d'y croire d'y croire parce que les conditions sont difficiles les conditions seront toujours difficiles mais vous pouvez relever les défis. On est tous passés par là, on est passé par les problèmes de chambre, par les problèmes de transport, par les problèmes de, de, survie au sein de l'université, mais cela ne nous a pas découragés. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu, car nous avons des jeunes frères qui aujourd'hui sont des bacheliers et qui aspirent aujourd'hui à participer au développement de ce pays. Donc, pour, le, pour, pour ce faire, n'ayez pas de complexe. Comme il l'a dit, il faut être D'ailleurs, heureusement pour nous, nous sommes des Jolof Jolof. Et le Jolof Jolof est fier. Et ça, c'est une force. Le Jolof Jolof est fier, le Jolof Jolof est, le entreprenant. Donc, c'est peut-être ce qui a, ce qui m'a permis aujourd'hui. Moi, je suis un juriste de formation. J'ai été orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques, Ok, où j'ai eu ma licence et ma maîtrise. J'ai également fait l'ENAM, l'École nationale d'administration, où je suis sorti contrôleur des impôts depuis 2002 ok Mais cela ne m'a pas empêché aujourd'hui de m'aventurer sur le champ des économistes. Car le livre que j'ai écrit, c'est un livre d'éducation financière et d'investissement en bourse. Et là, qui parle d'investissement en bourse, d'éducation financière, il parle, des, il parle aux économistes en premier. Donc pour dire qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Et je le disais tout à l'heure à, mon voisin d'à côté, je disais qu'aujourd'hui, vous avez la chance que nous, nous n'avions pas. Parce que nous, pour étudier, les conditions étaient encore plus difficiles parce que déjà la photocopie était chère. En plus, l'Internet n'était pas aussi démocratique qu'il l'est aujourd'hui. Donc, vous, la chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, le savoir n'a jamais été aussi accessible. Moi, j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que tout simplement, j'ai lu un livre. Donc, pour vous dire qu'il faut lire déjà. En premier, il faut lire. Moi, j'avais arrêté de lire hein, parce que j'étais absorbé par le boulot et tout. Donc, je parle sous le contrôle de monsieur l'inspecteur. Donc, quand on est dans le milieu professionnel, on est tellement absorbé par le boulot qu'on peut ne pas s'intéresser à la lecture. Mais lisez. Lisez le plus que vous pouvez. Car moi, j'ai lu un livre et j'ai produit ce livre-là. Pour dire que si j'avais lu peut-être 50, 200 livres, j'en serais à 10 ou 20 livres. Donc, pour vous dire que vous avez le temps, et je le disais, le temps, le temps c'est votre allié le plus précieux. Malheureusement, au Sénégal, ici, on aime perdre du temps. On aime perdre du temps dans des conjectures. Vous êtes des étudiants, vous êtes là, c'est pour étudier. Donc là, je ne vais pas parler du livre, hein, mais je vais vous parler de la réalité des choses, de ce que j'ai appris et que je voudrais transmettre. Donc, au Sénégal, nous aimons perdre du temps. Et comment nous perdons du temps Déjà aujourd'hui, on perd beaucoup de temps avec le téléphone. Donc nous perdons énormément de temps avec le téléphone. Donc quand vous êtes un étudiant, vous passez beaucoup de temps sur WhatsApp, sur TikTok, sur autre chose, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Alors ce temps-là peut être consacré à approfondir vos connaissances. Le deuxième, le deuxième lieu sur lequel nous perdons du temps, on se rencontre souvent entre amis, on passe de 8h à de 9h à 11h ou bien de 9h à midi à parler. Ça, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai un conseil à vous donner, déjà, limiter l'accès au portable. Le portable, c'est bon, c'est une nécessité, mais c'est surtout pour passer des appels. Parce que les, technologies qu'on a mis à l'intérieur, c'est pour captiver votre attention. C'est pas autre chose. Maintenant, on peut se former avec ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai écrit mon livre, je ne suis pas entré dans une bibliothèque. J'ai écrit mon livre à partir d'Internet. Aujourd'hui, il faut savoir que Internet, c'est une révolution mondiale. Et c'est la plus grande école qui soit. Parce qu'aujourd'hui, pour venir à l'université, il vous faut un bac. Il faut être orienté dans une faculté. Or, aujourd'hui, pour aller à l'école d'Internet, vous n'avez pas besoin de bac. Vous n'avez pas besoin d'être orienté. Vous n'avez pas besoin de satisfaire à un certain nombre de conditions. Donc, l'accès est libre. Il suffit d'avoir un passe pour accéder à Internet. Maintenant, quand vous accédez à Internet, où est-ce qu'il faut aller Ça, la question. Quand vous allez sur Internet aujourd'hui, si vous allez sur les moteurs de recherche, il faut savoir où est-ce que vous allez. Vous faites histoire, vous voulez vous former, les meilleurs cours se trouvent sur Internet. Les meilleurs professeurs se trouvent sur Internet. Donc, ce que les professeurs là nous donnent, il faut l'approfondir et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir l'approfondir avec les meilleurs spécialistes qui soient dans le monde. Il suffit de taper n'importe quel sujet sur internet, l'histoire du dialogue vous le tapez, vous aurez, c'est-à-dire vous ne pourrez pas l'épuiser. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas perdre son temps, parce que là vous passez de 9h à midi à parler de politique ou bien à parler de choses qui ne vous regardent pas, vous perdez votre temps. Donc, Utilisez Internet pour, pour approfondir vos connaissances. Si vous êtes un juriste, et je parle en connaissance de cause, pourquoi je dis que les conditions étaient difficiles Parce que nous, quand nous étions là, Internet donc la photocopie était difficile. Internet, n'en parlons même pas. C'était à ses balbutiements en Afrique. Donc nous, et on était à la faculté de droit où il y avait, il y avait toujours des milliers d'étudiants. Une petite anecdote, par exemple, moi, quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé à, à aller en salle de cours. C'est-à-dire, j'ai fait, j'ai fait ici un mois, je ne savais pas qu'il y avait un balcon en haut. Donc c'est un jour quand je me suis assise, euh, quand je me suis assis au premier rang, que j'ai vu qu'il y avait des étudiants en haut de moi. Donc pour dire que vraiment les conditions n'ont jamais été faciles. Et à l'époque, nous, pour faire nos TD, la bibliothèque n'était pas aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui. C'était une, c'était une toute petite bibliothèque et les ouvrages au programme étaient, étaient, étaient en nombre limité. Et la plupart de ces ouvrages, j'espère que cela est révolu, quand vous ouvriez les pages, vous trouviez que les pages étaient déchirées. J'espère que ça, c'est fini maintenant, ou bien. <laughs> Donc, pour dire c'est dans ces conditions-là que nous avons étudié. Et comment on faisait nos recherches On n'avait pas, ça je vous dis, hein, je vous parle de façon crue, on n'avait pas les moyens de payer la photocopie. Parce qu'à l'époque, c'était 50, 100 francs. Ce n'était pas dans les 25 francs ou 20 francs ou 15 francs. Donc, nous, nous passions, en tout cas pour, pour, apprendre ou approfondir un sujet, on allait à la bibliothèque et on passait deux heures de temps à recopier. Et vous savez que ce n'est pas évident. Donc, et je me souviens, il y, a, le fameux cours de droit administratif du, professeur Jean Dubois de Godisson. Et je vous dis, je l'ai recopié à la main. Pourquoi Parce que tout simplement, j'étais en deuxième année et ceux qui sont là, ont fait la faculté de droit savent que la deuxième année, quand même, c'est vraiment c'est un grand barrage. Donc rien que pour avoir la bonne information, j'étais obligé à l'époque d'aller tous les soirs à l'université et je suis tombé par un pur hasard sur ce cours-là. Et c'était vraiment le meilleur cours à l'époque, le cours de droit administratif de Jean Dubois de Godisson. Je pense qu'il est toujours là. loolu muy boos mi jaa ay boos mi jaa yéene ngi boose boosi bi war ay boos mi jaa mi bi gën ci mi yi